na na na na na na na na c'est tout ça la FADA, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Voilà, bonsoir et bienvenue. Comme d'habitude, votre animateur et serviteur, Mr. Dondi, et toute l'équipe de réalisation de cette émission vous entraîne à la FADA pour discuter sans langue de bois sur une thématique bien donnée. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de quoi, s'il vous plaît Des caméras, euh, des micros, des, cinémas, en gros. en gros, du cinéma. Waouh Je suis donc avec des cinéastes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous faire du bruit. Applaudissements. Voilà, applaudons, applaudons. c'est très important. <laughs> Alors, aujourd'hui, le sujet est socio-culturel. On parle du cinéma. Oui, c'est le septième euh, ah. qui, depuis euh, quelques années, renaît de ses cendres avec la formation euh, sur le tas, mais aussi dans des écoles spécialisées. Une nouvelle race de réalisateurs. Le cinéma nigérian s'est renouvelé et intéresse aujourd'hui toute une jeunesse. Hier, RMK a mis un accent, bien sûr, sur le cinéma, soir, on discutera de l'engagement des jeunes dans le cinéma. Impact difficultés et perspectives. Merci Aïcha. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ces thématiques dans les 35 prochaines minutes avec euh, nos invités. Je commencerai d'abord par mon, mon, frère. <laughs> Alors je suis avec Boubacar Djingarei. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, moi je l'appelle Bouba Djingarei. Ça va Bouba, tu vas bien D'accord. Ok, d'accord. Je vais aussi permettre à une grande dame de se présenter qui a représenté comme ça se doit les couleurs nationales et vaillamment. Elle a représenté le Niger lors donc du festival de Cannes. Avant, avant que je ne vous Dites-moi ce que c'est, parce que vous avez représenté, vous avez brillé là-bas. Le festival de Cannes, en fait, c'est le plus grand festival euh, uh-huh. au monde. Uh-huh. C'est à Cannes, Ok. en France. Uh-huh. Donc voilà, c'est un festival de cinéma. Là où Ça on parle a de cinéma Du, cinéma mondial ou du cinéma français Non, du cinéma mondial. Ok, vous avez parlé du Niger Absolument. Ah, c'était donc Aïcha Maki, je vous dis. Donc c'est toujours la présentation. Eh, eh, ok, d'accord. Alors Amina Waira, j'ai entendu parler de ce nom. Une dame aussi battante euh, qui œuvre dans ce domaine. Ok, d'accord, Amina, ça va bien Oui, ça va en couleur. Non, non, non. Le non, non plus n'est pas en couleur. Non, pour l'instant, non, mais on verra plus tard. Tu vas bien Oui, ça va. C'est une grande dame, s'il vous plaît. <laughs> Voilà Une grande dame. Dans quelques fractions de secondes, nous allons recevoir le directeur général du centre, Sani Magouri. Vous allez bien, monsieur le DG Vous êtes en forme oui, ça va, on peut dire ça. nous, sommes sur le toit du centre. nous sommes euh, donc calés, calés, je dis calés, calés, calés, vraiment calés au centre national de la cinématographie. Voilà, du nid. Nous allons donc régulièrement marquer des pauses pour écouter un peu de Zik qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit parce que nous sommes jeunes et notre source d'inspiration, c'est justement la musique. Et ouais, on aime la musique, on kiffe la musique. Histoire donc de relaxer des relations de jeunes et des questions d'auditeurs seront aussi de la partie. Et pour finir, comme euh, d'habitude, nous allons recevoir Mr pour sa chronique. Tout ça la fin mesdames et messieurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour participer et recevoir nos contenus. Je vous le disais, le cinéma nigérien renaît de ses cendres avec les jeunes qui ont pris donc d'assaut ce domaine ces dernières années. Nous en voulons pour preuve des productions cinématographiques riches et variées qui ont enthousiasmé les Nigériens tels que euh, L'arbre sans fruit de Aïcha Maki, La colère dans le vent de Amina Waira, Le mille de la mort de Jaloud Zeno Tandi, une saison au Niger de Samira Seni Djengo, femme actuelle de Bouba Djingari ou encore Amour interdit du groupe ATC. On se rappellera aussi de la grosse production en télé de la chaîne A+, du groupe Canal+, Niamey. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec un certain nombre de questions. La première est la suivante. Vous faites du cinéma depuis quand, s'il vous plaît Aïcha Maki. Dieu vous à moi. <laughs> ah bon Oui. Comme c'est de vous en moi, donc je vais aller cinéma. <laughs> Là, je n'ai pas entendu. bon, voilà, je voulais le faire un peu tout doucement. Tout doucement, ouais. D'un pas, euh, justement. à, à hein? bas âge, à bas âge, à 7 ans comme c'est le 7e art euh, Non, euh, je n'ai pas commencé le cinéma à 7 ans, mais j'ai plutôt commencé à être dans l'art de manière générale à l'âge de 6 ans. Waouh la première fois que je suis montée euh, sur un podium, mhm. prendre un micro, c'était j'avais 6 ans. Mhm. J'ai interprété une chanson qui a été composée par euh, Fé qui était enseignant à l'école. Vous vous rappelez de cette chanson parce que la musique aussi a sa place sur cette émission. C'était quoi la chanson Zender, région de mon enfant c'est toi qui m'as montré les bah, jours. Apprends-moi ton histoire. Et quand je saurai cette histoire, j'irai dans la forêt. Juré dans la savane. moi, je vais interpréter ta chanson à ma façon. ok. On est au centre cinématographie. On parle du cinéma. Le DG est là. Bouba est là. Aïcha est là. Ok, Ami est là. On va parler de cinéma, cinéma. Hein. Ok, d'accord. C'est là du coup, à 6 ans déjà, vous avez interprété une chanson. Mais à quel âge vous avez commencé le cinéma le cinéma, j'ai commencé en 2011. Je fais mon premier film. En 2011 En 2011, mais avant ça, je suis passé par un stage au Forum africain de films documentaires, mhm. à qui je dois tout, ces forums-là. À tous les gens qui m'ont encadré, au promoteur Inoussa Ouseni qui a su nous donner la chance non seulement d'apprendre d'abord le cinéma, mhm. mais d'aller surtout avec des bourses mhm. à l'IFTIC. Super. Dis-moi, Wera, tu as commencé le cinéma euh, et euh, tout comme Aïcha, j'ai commencé aussi. En mon, 2011. Mon premier film, c'était en 2011. Mais dites-moi pourquoi C'était après, euh, moi, c'était après ma licence. Ma licence en montage vidéo, j'ai fait mon tout premier film. À Liftik Oui, à Liftik. Ok. Tu t'es dit que tu as du talent, donc je vais me donner dedans. Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que moi, j'avais une formation en montage vidéo. Et c'était après le montage, euh, comme nos formateurs avaient l'habitude de nous dire, un bon monteur doit être un bon réalisateur. Donc après la licence, j'ai fait un master en réalisation. Tout simplement. Voilà. Lui, je le connais bien et je sais qu'il a vu, il a grandi dans le cinéma. Ok, d'accord, il a vu le vieux faire. Quand je dis le vieux faire, en fait, c'est un terme fada. on dit le vieux. Ok, d'accord. Djingare Mega, tout le monde connaît. Le Niger connaît Djingare Mega. Alors dis-moi, tu as commencé le cinéma à bas âge. Tu as grandi avec. Je suis sûr, hein? je suis sûr. Ok, parle-moi un, peu, un tout petit peu de tes débuts. mes débuts, euh, moi, euh, rentrer à fond dans le cinéma, je peux dire c'est dans les années 96, mhm. quand euh, il tournait Vendredi Noir. Là, vraiment, j'étais au sérieux dans le travail. Mhm parce que j'étais assistant cadreur. Mhm. Voilà, et j'ai joué souvent la, euh, la figuration dans mhm. le film. Voilà. Tout simplement. Donc, en 96. 96, euh, tu es déjà dans le cinéma. Je vous disais que j'ai aussi une invitée surprise. Elle, c'est Samira Seini. Alors, Sami, tu vas bien Je vais très bien. Tu es en forme mhm. Parle-moi un peu de Nigerwood. Comment est-ce que, tu, es venu dans le cinéma Comment est-ce que tu es venu dans le cinéma Bon, je pense que c'est j'ai été d'abord influencée un peu par ma grande sœur mhm. qui, était dans le cinéma. J'avais 8 ans mhm. et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé par apparaître dans des spots publicitaires de la SNTV. Mhm. Et j'étais tout le temps calée devant la télé en train de rêvasser. <laughs> Voilà. Pour la suite, ok, d'accord. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin, en fait. <laughs> Dis-moi, toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Niger Woods c'est la concrétisation d'un rêve d'enfant en réalité. J'ai toujours rêvé d'être une actrice à Hollywood, mais le chemin est là et voilà. je me suis dit, il faut que je vive mes rêves, je ne veux pas vieillir. Hein. Voilà. <laughs> sais J'ai créé mon Hollywood chez moi. D'accord. Et je sais que le chemin est dur et plein de blocages. DG, je vous souhaite la bienvenue, ça va Merci. Vous êtes dans le cinéma euh, depuis 2006. 2006 2006 Ouais. Sinon, moi, avant, j'étais dans mes oignons, quoi. J'étais cultivateur <laughs> d'oignons. Ah, ok, wow. Voilà. Donc, euh, j'étais agronome. C'est, je suis agronome, même hein, parce que ah, mon Ça, c'est un terme fada euh, <laughs> ou, bien vous parlez. Euh, non, c'est vrai. Je suis un ingénieur en agronomie, saharienne. Je suis un spécialiste des dattiers. Parlons de cette imitation. On quitte les oignons pour le <laughs> cinéma. Comment est-ce que cela Je ne vais pas philosopher, mhm. mais je sais que, comme va te dire Aïcha, je sais qu'elle va dire cette phrase-là. C'est presque le même métier. Hein. C'est le même métier. Voilà. Si, les plantes, ils ont besoin de. Parce que l'ingénieur, lui, il cherche des solutions à des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne fait pas appel à des ingénieurs. Ils ont la créativité. Et le cinéma, avant tout, c'est une créativité aussi. Nous sommes des ingénieurs des âmes. Nous apportons de la chaleur, nous apportons, nous voyageons, nous faisons voyager les gens nous le faisons sentir des choses qu'il ne peut pas sentir. Ça, c'est vrai. Parce que moi, j'ai l'habitude de pleurer pour voilà, le cinéma. Nous sentir la haine pour quelqu'un ouais. savent vraiment c'est pas lui. On lui a fait faire des choses. Mais ils acceptent. Le cinéma a cette capacité de vous, de vous de vous rendre et quand moi je vois de humain, je, vais vous couper parce que je n'ai que 35 minutes hmm. Aïcha on revient à toi Aïcha Maki dites-nous Aïcha s'il te plaît on peut se tutoyer c'est la fada oui bien sûr puisque le contact est déjà oui. S'il te plaît, dis-moi. Vous faites à temps partiel, euh, à titre de passion, ou est-ce qu'un métier plein pour vous, le cinéma En fait, c'était une passion. Puisque moi, je suis sociologue de formation. Je peux aller travailler dans des cabinets et gagner autant d'argent parce que dans les cinémas, surtout pas documentaire, on ne gagne pas de sous. Hein. Euh, donc voilà, c'est pas un cinéma, c'est pas un genre qui est commercial mais j'ai préféré suivre ma passion pour me raconter et raconter d'autres gens. Mais je suis en train de faire de ça un métier parce que je suis, je suis comment on appelle ça, j'ai créé ma boîte de production. Je coproduis mon film long métrage et je fais aussi de, la commande. Donc pour euh, dire que euh, c'est aussi un business désormais pour moi. Bouba, son cinéma au woni sambure non te cinéma mine no cinéma non gote eh lalle aini te na mujina mhm. ni fam wala aini te goymo ni fam amma kani te goy ni te na mu mhm. dam noru ce o wo noru goy ngide no kan no manti no no guna goyo nim te se nim go kan se nim te paso nim te kam go nim go sam gite ni goy nim no ngide albarka no samu kanga kan se matka aisha ki so nda ningo sociologue na te formation la mhm. ay mboy gon formation kan ngaite ay gor go assurance era mhm. ay te jiri ay go go compagnie d'assurance la amay na ye cinéma ra am ngono kan se voilà je reviens à toi ok Rena en Tamashek. Il n'y a pas de ah, souci. Tu en Tamashek <laughs> Ok, d'accord. Alors, comment vous voyez, euh, euh, vous, vous voyez maintenant par rapport au passé Donc, euh, voilà. Et même quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai jamais pensé que j'allais faire un film qui va pratiquement faire le tour du monde. Mhm. Et justement, aujourd'hui, avec le cinéma, je sais que j'ai quand même connu pas mal de pays à travers mon film. Et c'est des pays que j'ai jamais, même dans mes rêves, j'ai jamais pensé que j'allais partir. Donc euh, c'est aussi une manière de montrer que le cinéma voyage. Nos amis auditeurs, auditrices donc des 41 radios partenaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant Jean au 80 06 88 54 pour participer et recevoir nos contenus. Vox Pop, euh, maintenant, tout de suite et maintenant, balance la sauce. Ce que je peux dire sur le cinéma nigérien, c'est que principalement au niveau de la production, c'est, je trouve qu'à l'heure actuelle, où les nouvelles technologies sont à notre aise, où nous devons utiliser les nouvelles technologies pour produire plus et de meilleure qualité. Je pense que nous ne, faisons, nous profitons pas de cette opportunité que l'éthique nous offre aujourd'hui. Par exemple, quand on prend les cinémas, les images que nous regardons pendant, dans les films nigériens, vraiment, c'est déplorable pour tous les acteurs qui interviennent euh, au niveau de la promotion donc euh, de la culture nigérienne, c'est-à-dire doivent s'activer donc pour pouvoir euh, connaître donc les valeurs très chère nation parce que aujourd'hui sur le plan cinématographique on sent pas le Niger le peuple nigérien est devenu comme un preneur ou je ne sais pas, un suiveur d'autres cultures. Et cela, à long terme, peut menacer ce que sécuritaristes ont, ont qualifié de sécurité sociétale. Nous pensons que réellement, ça peut participer à relever l'économie nigérienne à redynamiser la question de la culture de nos valeurs que nous avons déjà perdues, la culture des valeurs africaines, mais surtout la question de la promotion des valeurs familiales que nous avons ici au Niger. Euh, tout ce dont on a besoin, c'est réellement d'un accompagnement conséquent de la part euh, des aînés dans un dialogue intergénérationnel, mais également de la part des autorités nigériennes pour accompagner cet élan euh, en faveur du, cinéma nigérien. Monsieur le DG, Aramade en Cambodge, il le cinéma quand Kanyan Aïcha Angote, ça ne reflète pas le Niger, économie. Arama, vous avez écouté jusqu'à ce que nous Kango Sala. Vous voudrez avoir votre avis par rapport à ce qu'il Bon, euh, c'est pas que ça ne reflète pas le Niger. C'est que jusque-là, il y a beaucoup de choses à traiter au Niger. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas évoquées par le cinéma. Or, comme ils ont tous dit, en le cinéma, ça doit refléter le contenu de notre société. Si vous regardez tous les films qu'elles ont fait, elles ont juste regardé autour d'elles. Toutes les, toutes les histoires qu'elles racontent, ces histoires qu'elles ont vécues, ou qui les ont touchées, ou qu'elles ont euh, suivies. Tu vois, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, qui se passent dans la ville, les histoires qu'on nous raconte, nos contes qui sont là, qui ne sont pas exploités. Heureusement, Jalud en a, fait, a commencé à faire un film, Le mythe de la mort, sur l'histoire de Boubou Hama. Donc je crois que euh, le terrain est, vierge. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc je sais que les Nigériens sont dans leur soif parce que euh, jusque-là aujourd'hui, je t'ai dit, hein, les gens ils croient, c'est pour ça qu'ils font ça. Ceux qui n'ont pas cru, ils ont abandonné. Donc en attendant vraiment que les choses se mettent dans l'ordre, parce que je pense que l'État doit être beaucoup plus présent dans l'accompagnement euh, du, cinéma. Parce que le cinéma dans d'autres pays, hein, c'est la première industrie. Dans d'autres pays, c'est un moyen même de propagande. Dans d'autres pays, c'est un moyen de défense, c'est un moyen militaire, c'est un moyen... N'importe... On, utilise le cinéma pour exister et, faire exister ces cultures à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je crois que ce moment-là, c'est ça que nous attendons. Et déjà, ce que les gens font, je pense que quand on met sur la table, il y a quelqu'un qui a parlé de la qualité c'est normal, on a un problème de, finances, parce que le cinéma, c'est beaucoup d'argent. <laughs> Déjà, déjà, on a défendu. Mais nous femme, nous Donc, euh, aussi, Dans un premier temps, qu'est-ce que le cinéma vous apporte Qu'est-ce que vous y gagnez concrètement Il faut nous avoir un cinéma. voilà mm. il il Dans le mm. cinéma, là, on on mm. un c'est une yine ah ni noon film filanate mm. ni go fan wala mm. aga kanu mm-hmm. mm -hmm. bere no wadi wal man tiari bere be voilà cinéma aga akata bon fere ni go fam mm -hmm. on kunni o kan ni réaliser film no mm. ay kanim ka gor kala man ska ni ka mata har furu hawara no ni go film tem ni la sabu tem no ni ga sambu kan ni ga la sabu ni ga goy ni ga haya kul wal mantiyari buwa jingare ir commune bien. zade kir ba table bonheur na mm. par rapport donc au social car on le sait au Niger le social joue un rôle très très très important dans notre vie de tous les jours les gens vous jugent comment par rapport au cinéma que vous faites Matou bore di aranda surtout ibede ka harka wasfala di ngote cinéma ifoni godi eh boryanga fayanga ay bayde kan eh, boryango na kan igbay kan goyo din kan irgotei mm. goyo albarakantano. Eh, kan ga nijar niger da gina boreyan kan ga kan ga mila hal hayadin kan irgote sinima e eh, furkutarayno mm, yadino surtout way boreyan mhm. danugo goyte ninda wai alboryan mm. nugu kwai nugu fattaga kwai nangu fo nuga kafura hal wala han fo niga starga ka oh. surtout de niga naru ni starga ka ko ne niga hinga uh, ye kaka fu zari bi woni kulu masalano arka masala ga aisha na famo donc woni wo sanga mat kam bore go di aran dan woni kirse ma oh ya Alors vous qui nous écoutez et qui voudrez participer à tous à la fada, abonnez-vous à notre fil WhatsApp pour participer et recevoir notre émission. Envoyez tout simplement Jeune au 80 06 88 54. Je le disais en début d'émission que la musique en principe a sa place. C'est ça, non On avait chanté Lilo tout à l'heure. Alors comme nous sommes modernes, nous sommes jeunes, on va donc s'intéresser à deux filles, deux femmes battantes dans ce mouvement aussi. Ok, d'accord, elle, elle une, a commencé d'abord par la musique, elle se retrouve aujourd'hui dans le cinéma. Euh, la formation, euh, c'est CZ. CZ, c'est. Bon, CG, CZ, c'est Crazy. Vous connaissez j'ai l'habitude d'écouter aussi et d'entendre la chanson de ces dames dans, du cinéma nigérien. Alors on va chanter, donc moi je vais interpréter la formation, euh, la, chanson de la formation Crazy Girls. À ma façon, vous allez m'accompagner, vous allez me suivre. Est-ce que vous êtes OK là après Ok, je suis jaloux de lui. Mm. Ok Je ne comprends pas pourquoi tu t'éloignes pas. Ah, de lui. <laughs> je suis jalouse de lui. Ma voix elle est nulle, tout simplement. Ah, Amis auditeurs, auditrices, on kiffe tout de suite et maintenant. <laughs> Crazy Girls dans Je suis jaloux de Oh yeah, Indie Baby, Sammy Baby, Crazy, Crazy. Oui, je la déteste quand elle joue avec mes nerfs. Oui, je la déteste quand elle cherche à te séduire. était tout à l'heure, ok, d'accord, avec euh, Crazy Girl. C'était Je suis jaloux de lui. Ok, bon, je suis jaloux d'elle. Ok, d'accord. Euh, et j'espère que vous avez beaucoup kiffé cette chanson. On revient sur cette émission pour parler donc de la deuxième partie. Nous sommes à la FADA. On est Zépo. ok, c'est-à-dire on est posé. Ok, d'accord, euh, pour plus de compréhension pour mon poteau Sani Magouri qui est sur cette émission. Ce soir, nous sommes les cas. Les cas, ça veut dire que nous sommes calés au centre cinématographe de au de cinématographie de Nya, mais l'engagement des jeunes dans le cinéma, impact, difficulté et que C'est le sujet du <laughs> jour, amis auditeurs, auditrices. Dans la première partie de cette émission, nous avons essayé de parler de l'engagement des jeunes dans le domaine du cinéma et de l'impact que cela peut avoir sur eux et sur la société qui entoure. Alors abordons à présent la partie difficulté. En toute chose, il y a des obstacles à surmonter et des défis à relever. Alors, Bouba, les difficultés que vous rencontrez dans le cinéma Et quand tu sais que tu es dans un métier où mhm. eh, il te faut beaucoup d'argent mhm. pour pouvoir produire et que, tu sais que, tu ne tu sais que tu vas jamais trouver cet argent-là mhm. et que tu t'es fixé objectif de tourner ce film-là et que tu arrives à tourner ce film-là, je me dis que le défi est déjà levé. Quoi. Voilà, donc euh, les difficultés, on ne peut pas les énumérer tous, comme euh, il a dit, mais euh, l'objectif est atteint. Moi, je le dis, on est là, on produit. Chaque année, en tout cas, il y a un film nigérien qui sort. Au maximum, chaque deux ans, il y a un film qui sort. Un ou deux. Donc, euh, c'est l'essentiel. ok, d'accord. Alors, Samira, Samira, on revient à toi. Avez-vous pensé un moment à arrêter le cinéma Je n'ai jamais pensé à arrêter parce, à cause de X ou, Y. Mhm. Déjà, j'ai l'habitude euh, qu'on parle de moi, j'ai l'habitude d'entendre des remarques comme tu l'as dit, c'est pas comme si je, je, suis sortie juste de nulle part. J'ai l'habitude d'avoir une vie publique. Je sais ce que c'est. J'ai appris à faire fi de tout ça. Et en plus, je, suis du genre à aimer les défis. Moi, plus tu me sous-estimes, plus j'ai envie de te montrer ce que je vaux. Je ne laisse pas les gens déterminer ce que je peux faire. Non. Donc, euh, jamais. Chano, est-ce que, est-ce que nous, il faut jamais. Il faut c'est. Mais il faut c'est persister. Parce que moi, je me dis, euh, je vais le répéter encore, mhm. vouloir, c'est pouvoir. Ça, c'est vrai, quand on veut un peu. Et si on vient dans un métier par passion, une passion, rien ne peut l'empêcher, même pas un tour. Comme moi, par exemple. <laughs> Même pas un torrent en fait euh, dévastateur ne peut l'empêcher. Donc moi je pense qu'on euh, a des défis assez énormes parce que déjà quand on est dans un pays là où en fait on ne fait pas de ces métiers là euh, un métier, si je peux me permettre ainsi. Mais aussi, je pense que parce qu'on se limite tout simplement en se disant qu'on le fait ici. Mais le cinéma n'a pas de frontières. Ça pas de Il faut que les gens arrivent à écrire des projets mhm. pour aller chercher des financements ailleurs aussi, là où ils se trouvent. Un financement n'est veut dire que Baran financement, on est au Mais on l'a toujours cherché ailleurs. Donc si vous avez des groupes Tous les gens qui sont dans la table là, ici, là, hmm. c'est des gens qui ont fait des films avec des fonds internationaux. Et une façon de ah, dire que en fait, les gens, bien sûr, il y a des fonds partout dans le monde et ce n'est pas réservé à X ou Y. C'est réservé des au cinéma. qui sont réservés au cinéma et aux gens qui sont capables et valables. Je reviens à Tawera. La mentalité est un facteur essentiel dans le développement d'un pays, en principe. Mm-hmm déjà au hmm. Renaissance culturelle Ah oui, D'accord, euh, donc c'est très important. Nous hmm. Pensez-vous que le Nigérien actuellement a la bonne mentalité qu'il faut pour faire face au cinéma Est-ce que selon vous, c'est ça Mais ben, je me dis qu'à ce moment. Euh, si je prends les cas des jeunes surtout, ils commencent à s'intéresser au cinéma. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est dû aux réseaux sociaux où il y a maintenant de plus en plus des vidéos qui, se partagent sur WhatsApp et consorts je pense que maintenant, les Nigériens commencent à s'intéresser au cinéma du moment où aujourd'hui, si on fait des projections, par exemple, la dernière fois qu'on a projeté le film de Amina Mamani au, euh, à, la Blue Zone, Canal Olympia, j'étais étonnée de voir que la salle était pleine. Nous sommes <laughs> pratiquement à la fin de l'émission, on va on va écouter de la bonne musique. Alors, je te laisse choisir une musique. Ouera, tu me proposes quoi quelle que soit la musique. Hein? Moi, euh, j'aime bien la euh, musique de Soga, Soga? b J'aime bien, oui. Ah, bah, ok, d'accord. Voici donc euh, pour vous, amis auditeurs, auditrices des, des 41 Radio partenaires, le groupe Soga. b pour faire plaisir à toutes les peules connectées. Ok, moi j'ai une peule qui est connectée depuis le Mali. Ok, d'accord. Tout ce que je peux lui dire aujourd'hui euh, sur Bajo, Hemare Ego. On kiffe Fulbé. Tout de suite, la source. À l'instant T, c'était donc euh, la formation Soga. Ok, d'accord. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour participer et recevoir nos contenus. Si vous venez de nous prendre en marche, euh, <laughs> bienvenue à la FADA. On parle donc de cinéma ce soir, notamment euh, de l'engagement des jeunes dans le cinéma. Impact, défi et perspective. Selon vous, malgré toutes ces difficultés que vous abordez, le cinéma nigérien est-il le promoteur pour les jeunes Bouba est-ce que ah, on est gonda fokan agon c'est jeune euh, est-ce que agonda agonda venir bien sûr agonda avenir mm. parce que on connaît cinéma ra aran signa ir signa ir mm-hmm. signa mo cinéma ra ir bora hanga chendino abada hay karan gote mm. euh ir bora sensibiliser igo fam wala mm. kamo mat jeune ne bora kulu ba mm. do tije gara en mm. ga lalle agonda na fagumo quoi agon nafa agon nafa ning ning voilà. micro samira seng mo am che seng mo ala est ce que agodi kan est ce que est ce que nous on gonda sanyan kan ning tonton pour que cinéma ma am kodijina pour que cinéma am kodijina e e haya kay gne dai manta cinéma hinne hmm. c'est général hmm. boray me bachar wal din sba bora nim borana hmm. aram fam genre que les gens arrêtent de, de se nuire parce que si tu veux que euh, quelqu'un de ton pays avance, soit tu le soutiens, soit tu l'ignores, mais ne, ne sois pas la cause de sa chute. Hmm. C'est tout ce que j'ai à dire. Aïcha, Aïcha Maki, quelle ouverture aujourd'hui pour vous qui êtes déjà dans cet univers et pour ces milliers de jeunes qui rêvent de faire carrière dans le cinéma Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut se dire que l'espoir est permis mhm. parce qu'il y a quand même euh, pas mal de formations. Mhm que les jeunes peuvent bénéficier. C'est que beaucoup n'ont pas eu cette chance-là, par exemple. Quand je vois avec euh, les des plateformes comme ce qui fait l'ambassade des États-Unis, qui <laughs> arrive à former au moins 10 jeunes chaque année et qui a quand même créé euh, un festival de court-métrage, <laughs> Short Film Festival, à partir duquel en fait des jeunes <laughs> qui n'ont jamais touché une caméra arrivent à écrire en une semaine jusqu'à réaliser des films et qu'on les montre, même si la qualité n'est pas assez top, c'est déjà un bon départ. On va finir l'émission avec les conseils. Avec des conseils. Quels conseils pour ces jeunes qui nous écoutent partout au Niger et qui veulent être acteurs du cinéma Monsieur le directeur général Sani Magori. C'est avec vous qu'on va finir l'émission. Avec, le grand directeur général avec un grand D. un grand G. Avec un grand G. Mais ce que je peux dire, hmm. c'est que le cinéma, c'est une œuvre collective. C'est un travail d'équipe. C'est pas un roman où on s'assoit seul dans sa chambre, on écrit. On va l'écrire seul, mais on va le réaliser ensemble avec des gens. Des gens qui doivent travailler en équipe. Parce que si vous voyez des films qui ont échoué, c'est réellement l'équipe n'a pas travaillé en synergie et en toute honnêteté. Deuxièmement, il ne faut pas se tromper de cible aussi. Parce que quand vous visez la même cible, si vous l'atteignez, vous perdez du temps. Quand vous visez la bonne cible, même si vous la ratez, vous pouvez encore la chercher. Mais il faut se dire, mon objectif, c'est quoi Je vais faire ce film. Et comme l'a dit Aïcha, même si ici, vous n'avez pas les possibilités de trouver des financements, il y a énormément de guichets où le Niger est membre déjà, par de certaines conventions. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OILUMOA et quelque chose, tous les programmes, il y a des guichets pour trouver l'argent. Mais il faut monter un dossier, il faut être accompagné. Parce que le cinéma, c'est jamais un métier individuel. il faut être motivé motiver, point. et convaincre, point. être convaincant. Point. Voilà. Point. Nous sommes donc à la fin de l'émission, mais avant de vous dire au revoir, on va écouter Mr. Olivier, sur notre chroniqueur. Qu'est-ce qui fait le buzz Qu'est-ce qui fait le buzz Qu'est-ce qui fait le buzz Sur le net, on kiffe Olivier et tout de suite, et eh ouais, la suite. Super. Bonsoir la famille, bienvenue dans Tous à la Fada. La seule Fada dans laquelle je suis invité ici au Niger. Putain, c'est cool. Dimanche 20 octobre 2019, amis jeunes, bonsoir. Ce soir, le célèbre reggae Alpha Blondie, celui que beaucoup appellent le Bob Marley africain, a un message pour vous, pour nous. Un message que j'ai chopé dans une interview qu'il a accordée à la radio mondiale RFI. Avec les jeunes, je suis optimiste. Écoutez, il y a un âge où les jeunes pensent que c'est eux qui ont inventé l'eau tiède. Papa et maman n'ont rien compris à la vie, ni à l'amour. C'est normal, nous aussi on a pensé ça. Mais le jour viendra, le temps viendra, quand ils commenceront à penser comme papa. OK Quand ils commenceront à penser comme maman. OK Voilà, donc c'est une étape. Moi, je leur dis que ils sont euh, le fruit de ce Dieu d'amour et que quelque part, il ne peut ils ne peuvent être que positifs. J'ai foi en eux et j'ai foi en l'avenir. Voilà, on a tous foi à l'avenir et merci au vieux père. Retour au Niger où la technologie connaît un essor fulgurant ces dernières années selon les autorités. Un Niger 2.0 dans lequel lève le vendeur de Tchétchéna ou Beignet en peut utiliser l'Internet pour vendre son produit. Et oui, c'est l'anecdote que Gimba Seydou nous raconte ce soir. Et la vendeuse de Kekena, c'est un symbole. C'est vraiment pour moi le symbole de cette femme euh, qui travaille sans relâche à avoir des, ressources pour s'occuper de sa famille, envoyer ses enfants à l'école, euh, améliorer euh, le cadre de vie de la famille. Et j'allais dire ma référence, c'est quand cette femme sera totalement digitalisée. Donc je voudrais par exemple faire en sorte que euh, cette femme parce que son activité, c'est quoi C'est que très tôt le matin, elle se réveille pour d'abord s'occuper de son foyer. Et après, naturellement, elle va au marché pour faire ses emplettes, pour acheter tous les ingrédients qu'il lui faut, pour maintenant, après plus tard dans la journée, préparer ses beignets qu'elle va vendre et puis euh, générer des revenus. Euh, donc notre vision, c'est quoi C'est de faire en sorte que toutes ces tâches-là soient allégées pour la vendeuse de Kekena. Soit digitalisée. Soit digitalisée. Je voudrais que la vendeuse de Kekena soit digitalisée. Et vous voudriez aussi que nous faisions des commandes un jour Absolument. Par exemple, que cette femme, qu'elle ait à travers son, téléphone une application, par exemple, qui lui permette de faire tous ses achats d'ingrédients sans avoir à se déplacer. Go, go, go, go, go, go Amis développeurs, eh bien, il ne suffit pas de créer des applications pour la forme mais plutôt pour répondre à des besoins spécifiques. Une chose à ne pas rater ce week-end, aujourd'hui, une initiation à l'écriture de scénarios de cinéma est proposée à la Blue Zone de Niamey. C'est gratuit, vous pouvez vous y rendre. À la semaine prochaine avec d'autres buzz, d'autres news. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, c'est la fin de votre émission Tous à la Fada. Merci donc au directeur général du centre, ok, d'accord, cinématographique du Applaudissez pour lui. Oui très fort, Monsieur Sani Magori. Oh nous étions aussi, waouh, nous étions aussi avec Bouba djingare Continuez à applaudir s'il vous plaît. Vraiment Bouba Djingare qui aussi a félicité dans ce domaine. Nous sommes aussi, nous étions aussi avec euh, euh Samira Selidjingo Je l'appelle Sami Croisi. Je vous demande, c'est la même chose. Je vous demande de l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Nous étions aussi avec Aïcha Maki qui aussi a représenté vaillamment le Niger hors de nos frontières. Aïcha que, en tout cas, je kiffe beaucoup ce qu'elle fait. C'est une femme aussi pas alors nous étions aussi eh, avec euh, Amina Ouaira. Voilà Amina Waira qui aussi eh, continue à se battre pour faire parler du Niger hors de nos frontières. Merci aux auditeurs et de nos 41 radios partenaires qui suivent cette émission. Merci à Dondi. Et à tous. Merci à vous, Ternan. Merci à Kalabou, Merci à tout le monde. Merci au centre qui nous a accueillis. Merci au centre qui nous a accueillis. Merci également à toute l'équipe de production de Tous à la Fada. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 Ciao, ciao Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était La Machine et les Humains. Hey